magani ɗan kaɗan aka tarwa ya isa sai wataran mugun magani a sha ka koma zillimi wata rana isa magani

Tout à la Fada spéciale Zender, ça continue donc avec une série d'émissions pour parler du quotidien de la jeunesse de cette région historique du Niger. Comme toutes les grandes villes, Zender n'échappe pas aussi à la problématique urbaine liée aux jeunes. L'un des problèmes et le plus récurrent étant la consommation des stupéfiants. Quelle solution pour lutter contre la consommation des Quel rôle doit jouer les différentes parties prenantes dans cette lutte Est-ce qu'il y a espoir d'humilier eh, ou d'éradiquer ce phénomène nous en parlerons tout à l'heure avec nos invités qui vont se présenter sur cette émission. Alors nous sommes avec euh, Abdi. Je me présente au nom de Abdraman Babale, Abdi. Je suis président d'Union de coopératives de jeunes de Zaner. D'accord. Le président se souhaite la bienvenue sur l'émission. Nous sommes aussi avec euh, monsieur Moussa Paka. Moussa Paka. Comment tu vas Moussa Matga Matsuro. Oui, Ça va bien oh, me ni bongo go konu wol bongo si konu o oh, ago konu hakku oh. siara asigzi oh, asingat hey je suis aussi avec euh, on l'appelle boss euh. monsieur boss monsieur Mohamed Hamani présente boss gangster Star gangwa boss gangster Star Gang misali ga menene boss gangster Star Gang shugaba ne eh, na daba na abokai shugaba na daba na abokai okay na legayi ce na yau za ka ba mu mamaki yau za ba ku mamaki kala kala ka ba mu mamaki mamaki mamaki ba ku mamaki mamaki mamaki sai ba mu mamaki zai ba mu mamaki kai oh, to ba mu mamaki ba mu mamaki ba mu mamaki Bamou Mouma tout ça la fada échange musique chronique Mr Olivier on te souhaite la bienvenue sur cette émission est-ce que tu peux déjà nous dire euh, de quoi tu vas nous parler sur cette émission on va parler du foot on va parler des clubs favoris barcelonais ah ok Michel le super on va parler de tout ça à la fin de la chronique en tant que structure intervenant dans le domaine de la jeunesse, Monsieur Abdi, comment prenez-vous ou vivez-vous au quotidien ce problème de la consommation des stupéfiants par les jeunes ici à Zender En tout cas, c'est inquiétant. C'est un problème qui gangrène la jeunesse de Zender, plus précisément les, garçons. Donc vous confirmez justement que ici les jeunes consomment les stupéfiants Oui, les jeunes consomment vraiment, surtout les herbes. D'accord. Alors euh, dites-nous comment est que vous comment est-ce que vous voyez cela en, tout cas, c'est pas normal. Vous voudriez avoir votre avis sur cette émission Vraiment, c'est pas normal. Mhm. Parce que là, ça, rend la population, si je peux le dire, rétrograde. Hein. Mhm. C'est pas normal. Parce que là, si les jeunes qui sont l'avenir de, de la région consomment, voilà, ça leur amène à faire des bagarres et que cela amène. Ça peut conduire à une sorte de violence. de violence. C'est ça, en fait. de cette violence qu'on va parler donc très très prochainement avec Rabi sur une des émissions. Alors, Paka. Oui. Naïmena Hassanifo. Demandez en canson la président Abdiki. Oui. Nous sommes consommation des stupéfiants au Kigochi, Zender Kwarawara. Oh. Nous, maintenant, on dit Alhalo, maintenant, Manda. oui. déjà ni wai di ni moise ciran ni moise cire karan karan awo me <laughs> kana lafiya lafiya lafiya to mutunu non di sano ga karga danga sinim ko problem ni wondi problem ibo bono man to afo borai asinda goyi goyi no sino yanda za a huta daga cikin matsalar na jenes mm. a wasa shaye-shaye a wasa biyole mm. dole ne sai gwamnati ya tashi tsaye saman kanshi mhm. me yasa gwamnati zai tashi tsaye saman kanshi akwai problem in jenes da yau a basu da aikin yi mhm. kenan dole zai sa jenes yau ya fara sata mhm. ya fara shaye-shaye 'yan mata basu da jenes da masu yana da aiki har zai je armi 'yan mata to mace yau babu wanda zai arme ki kenan mi zai hana mace da ba za ta ta yi ta fara iskanci cikin gari ba kenan in tana da aiki iske ta iskanci cikin gari hmm. zama za ta yi gidansu mana har lokacin da miji zai hoto ya arme ta mana hmm. kamar babu aiki dole su kansu 'yan mata kina gida yanzu abu ke ta zo da iphone hmm. dole ne ki ce ke ma iphone kike so don a farci da gari ke ma ki ta ki shiga yawon iskanci kuma daga karshe sa ka ji ka kai kafa muna zo wajenka barin tambaya ka wani abu boss tawo ina ji dai mun kawo zancen shaye-shaye hmm, sosai ma shaye-shayen kai kana yin shi a kai dama dama dai tsakanin mu kai sa ina dan tattaba ka sa haka je sa haka je ina son in tambaye ka eh ka san tsakanin mu ne ko tsakanin mu ne sosai ma kalli juna ido ga ido eh. to barin tambaye ka wani abu wannan shaye-shaye kai kana yin shi ina dan tattaba kaɗan kaɗan amma kana yi ga mini mine ne kana tattaba a kayan shaye-shaye eh. sakaninmu. Eh, ina tattaba mai amma kuma gaskiya na san irin wanda nake sha ko ba haka ba a cikin kayan shaye-shaye mm. jefin ina shan sigari mm-hmm. sai juwa sai dan kora haka nan kaɗan ana dan tattaba dai duka dai etc <laughs> ana tattaba shi har da shaye kenan kai kenan kenan kai kana kana tattaba ina dan tattaba amma kuma eh. ba diyawa ba ba diyawa ba mm. to kenan misali tun da kana tattabawa eh. kenan misali kana da labari da shaye-shaye ko baka nan ba eske mm. kana yi ka gama ne wani irin da wani irin produit ne ake iya samu a nan bisa emission wai da mai da mai ne ake iya samu ko kai baka sha ka gaya eh. ka gaya sunan su produit kamar na na shaye-shayen eh mm. kamar wanda ake iya samu a yanzu mm. gaskiya yanzu produce suna da wahala mm-hmm. na shaye shaye a cikin garin ma sai kayan dogon bulaguro ne zaka je ka samu su kenan yanzu an sa tsaro a cikin gari babu ma kayan shaye-shaye in ba ka san Alors, tout dans alors euh. président, dites-nous comment est-ce que vous êtes en train de faire Vous ah, luttez certainement contre cela, et la consommation des stupéfiants, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ça rend un peu la vie impossible aux, jeunes ici et ailleurs. Alors, est-ce que tu peux eh, déjà nous dire les luttes que vous êtes, euh, le combat que vous êtes en train de mener pour lutter contre cela Oui, il y a la sensibilisation qu'on fait. Mhm. Nous partons chez les jeunes et on leur explique euh, l'inconvénient des de prendre la, la drogue. Parce que ça rend dingue, ça rend. Ça conduit les jeunes à aller même voler, s'il faut, s'il faut le dire. Bon, nous les sensibilisons parce que là, la sensibilisation, elle seule ne suffit pas. Parce qu'il leur faut travailler, il leur faut chercher du boulot, il faut les former, il faut les éduquer, voilà. C'est ça. Et puis là, il faut que l'État vraiment prendre les, les, eh, les dispositions, les, les dispositions et les mesures de la jeunesse. matkande ayni famonda ran seyirgo donc euh, neo zender kwarara zender koarara mo kunirgo kande consommation de stupéfiants san yirn sannuno jeune ese aran mamo de sonda président o asalan ane de woni agono eh, kwaro ora woni banda ir dujen yan kan monin ga sambu amma linga gudu ga sambu eh, De chat parce que fondon de fond bien de fond kon yan no gon kan isambu kanga ngai tabandi di hala hala hal manti moso woni o sanin go kan daran hangan ir wannan emission ose nigero me amera To, jeune Fongo aucun Kenek Bangem Ingem intervenir par rapport à cela. Alors, qui est-ce qui veut intervenir Il va se présenter. Viens. Ouais. Présente-toi. Bon, oh, nom de Mahaman Mujitaba Mamadou. Mahaman, ça va, tu vas bien Ça va. Eh, yanzu eh, muna bisa kan shaye-shaye wannan. Hmm. Eh, mun bude wata association. Mhm. m haɗin kan matasa haɗin kan matasa oh. yayin association oh, oui. mm yanzu, mun ka ta bon yanzu bisa kanta ne hmm. muna yi ne bisa ya rayuwan lega na yanzu wanda muke cikin ta kwa mhm. don ku muna cikin danje kwa mhm. eh eske kuna ga eske kuna ga wanga surtar sai kuna ga kuna ga amma matasa da suna cikin danje muna nan muna ta yin shi bisa kan haka rayuwar mu tana cikin wani hanya da wani hanya ne kuke bi da koyi yanzu muna da fari muna tahi mhm. mu fada fada muna zamuna dabor mu zamuna cikin su lega mu zamuna mu ga mine suke yi mu suke yi dabar apre ko mu dawo bayan mun zamana mun yi etidiyan su sai mu komo bisa kan abun da suke nan gai na mai kyau da wanda ba mai kyau sai mu kwatanta musu surtu bisa kan shaye-shaye wannan muna kwatanta musu wanga harkan shaye-shaye ba yi ba ne mm-hmm. d'accord alors on va revenir à toi donc on va donc te recevoir aussi tout au long de cette émission pour nous dire déjà comment est-ce que les choses se fassent en tant que structure

Pour participer à ces échanges, vous qui nous écoutez, envoyez vos questions et commentaires au 80 06 88 54. Une pause musicale s'impose. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme musique Sana Aboussa. Sana Aboussa, on voit qu'on est catché sur Sana Aboussa. Euh, Dunia Koma. Dunia Kikoma. Koma. duniya mi za ki koma tilicicip tilicicip za ki koma tabi mana ya za ki koma Tabii, tabii. Zaman dunia na yau, ya Zaman Zaman

imanin ya bace tusala fada babu shi soyayyar ta koma abinda ba mu zaman duniya na yau abokina kowa ya so nasa zaman ba irin na daure ba a ah, mishi tabi tabi tabi tabi tabi tabi Vous êtes sur l'émission Tous à la Fada, mesdames et messieurs. À l'instant, c'était donc la chanson de Sani Aboussa, une pause musicale. On l'a dit, ça fait du bien pour la jeunesse et la jeunesse est justement réveillée. Nous sommes à la commune. Solutions, mesures et perspectives de lutte contre la consommation des stupéfiants dans la région de Zender. Le thème du jour, on discute avec Abdi, il est président donc des jeunes. Nous discutons aussi avec Boss qui est avec nous, Boss hein, Ouban Kandaba, comme on dit. Nous sommes aussi avec Paka. Vous êtes toujours sur l'émission tous à la fada. Dernière partie donc de série de questions sur cette émission. On va vers les solutions mesures et perspectives de lutte contre la consommation des stupéfiants par la jeunesse de Zender. Selon vous, cette question adressée à tous les invités, vous en tant que structure de jeunes, dites-nous euh, quelles peuvent être les mesures à prendre pour renforcer davantage cette lutte contre la consommation des stupéfiants par les jeunes de Zender. Dites-nous la lutte que vous êtes en train de mener en tant que structure de jeunes tout en vous présentant. D'accord, et merci je réponds au nom de Maman Issoufou. Je suis secrétaire général de l'Union des coopératives des jeunes. On évolue avec euh, le, président Abdi. Mais avant de donner un certain nombre de solutions par rapport à cette question, je m'en vais un peu vous dire que aujourd'hui, la question du chômage n'est pas forcément à la base de la prise des stupéfiants. Parce que d'un autre côté, on peut se, rendre à l'évidence que la, la le chômage peut réduire quelque part la prise de stupéfiants. Parce que si tu n'as rien, si tu n'as rien, tu ne peux pas les payer. Je pense que le travail devrait être fait à la base. Les jeunes doivent être édifiés par rapport aux conséquences et aux risques qu'ils encourent à la prise de ces euh, stupéfiants. Je pense que d'habitude, c'est l'approche qui est ratée. L'approche est ratée, mais aujourd'hui, quand vous prenez vous prenez les jeunes avec des images en appui, vous leur faites visiter le centre psychiatrique de Zander, la situation dans laquelle beaucoup de jeunes se sont retrouvés suite à la prise de, ces stupéfiants. Je pense que cela doit les interpeller et amener cette jeunesse à prendre conscience des enjeux de ces stupéfiants. Dis-moi, mon ami Boss, est-ce que toi tu es conscient des dangers liés à la consommation de stupéfiants Est-ce que Kassan Won Iri Masala de Masala ne Shai dawowa abin da yake sa duka wannan shaye-shayen da muke yi eh. duka rashin aikin yi yo in ka san baka aiki kuma ka san shaye-shaye yana kawo maka masala don mene baka bar shaye-shayen kawai niyya ce da rashin tunani go ba haka bane mm. eh da susi a dan rage su wajen rage susi ne kake zuwa kai shaye-shaye <laughs> a dan rage yo kana kamar shaye-shaye yana rage susi yana dan rage susi sosai amma mu a mu haka ne muke gani kawai eh. dan mu kotan mu kawai shaye-shaye yana dan rage mana susi saboda sai da gidanka ka sai Vous êtes d'avis avec lui Non, je suis pas d'avis. d'accord. Kapa. Paka. Paka. Eh. Nous, on manque. To, il faut nous, on dit susi ane susi maga sai non ga goga hanyar eh, mutum kamar yadda ya haɗi mm. wanda yake shaye-shaye oh. inda ya je ya yi shaye-shaye eh. kamar yana hudda mai wani abu da shi mm. kamar me yasa suke zuwa suke shaye-shaye mm. yau ka tashi baka da aiki baka da inda zakati baka da aiki mm-hmm. dole ka tai wajen yan shaye-shaye ka zauna kenan in yau kana da aiki ka tai wajen aiki ka sabko venture to ka shi da ka da ko wanka zaka in kai wanka ma inda kana ya kwana zaka wannan yace aikin mashina shi ne yake kawo wannan ma paske in baka ko sisi ya ne zaka yi ka samu kai shashi ai babu ko sisi mafi yawa wanda suke shaye shaye ba kudi ba gare su hmm. yanzu yau in na ta wajen shaye shaye ban ne ko dala za a koya mun shaye hmm. kuma daga karshe sai mai da kai na barawo in hmm. rika sata kayan mutane kuma in je in ya shaye ka gane haka ake boss eh yanda ya faɗi haka nan ne amma kuma mu hmm. gaskiya kotan mu ba haka nan bane ya ne kai Kina eh, aiki ne ka samu ka kai shashen ka samu eh. kuɗi in je in yi shashaye babu uban da zai maka eh, dai aikin ne da nake yi ba me yi bane ba ko ba haka bane hmm. ba wanda zai rike ni bane ha an yi aikin da kace yi kawai yana samu kai kai ka samu kai shashaye an yi business kita in zo in ba da in koma kote in je in bakin na shashaye ne kawai ake yi to mane ngo go <laughs> kan ngo te ngo ngo go ko ngo mu mu china ngo ba sin ngo kulte ngo mu duwan kan go ngo mu hang ngo la kale mu dugu kan ngo bongo ngo ma zinya bongo zingi bisa dingo bongo zingi aban sani kuno sino en tant que structure de jeunes dites-nous quel combat vous êtes en train de mener quelles sont les actions que vous êtes en train de mener pour lutter contre la consommation nous, de en tant que structure, le combat que nous sommes en train de mener pour lutter contre cette prise de stupéfiants, nous sommes en train d'amener les jeunes d'abord à prendre conscience des enjeux d'abord de l'emprise de, de, ces stupéfiants et des conséquences ou disons des risques que ces derniers peuvent encourir. Nous faisons les tours des FADA pour nous asseoir avec nos amis jeunes, discuter avec eux et avec des preuves à l'appui pour les amener à comprendre réellement quels sont les enjeux de, ces stupéfiants. Une fois qu'ils sont conscients de la, prise, de, la, de la prise de ces stupéfiants, des dangers qu'ils risquent en prenant ces stupéfiants, là, on, on, on dit qu'on a un pari gagné parce que on est en train de se résoudre à une évidence que les jeunes sont en train de comprendre d'abord parce que c'est une question de conscientisation. Celui qui est conscient ne peut pas fréquenter des endroits où on prend des stupéfiants. Celui qui est conscient parce qu'il ne travaille pas, il ne peut pas fréquenter des, des, des, vendeurs de, drogue parce qu'il sait le risque qu'il court. Parce qu'aujourd'hui, si on veut les arrêter, elle fait partie, même s'il ne prend pas. Donc c'est une question, moi j'ai dit, de, de conscientisation de la jeunesse à éviter les risques même de fréquentation de ces vendeurs de drogue. À plus forte raison, commencer à prendre les stupéfiants. Donc je pense que nous, en tant que structure, nous sommes en train de faire notre part de responsabilité avec les moyens que nous en disposons pour sensibiliser les jeunes à prendre conscience des risques qu'ils peuvent encourir, soit des arrestations, soit des maladies, des, des troubles mentaux qui peuvent advenir en cas de prise de ces stupéfiants. Donc euh, beaucoup de jeunes aujourd'hui, Dieu merci, ont compris. Et sans, sans, travail, je vous le dis, ont compris l'enjeu de la prise de ces stupéfiants et ont catégoriquement cessé de les prendre. Donc je pense que là, on peut dire à notre niveau que le pari est en train d'être gagné. Super. Alors on va donc, euh, partant de ces propos, accueillir comme ça se doit Mr. Olivier pour sa chronique. Il va nous parler de football aujourd'hui. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Mr. Olivier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On va transformer la FADA en un stade de foot et on va parler de football. Le football fait l'unanimité partout. C'est une passion. Partout où nous passons, en tout cas, c'est des jeunes qui kiffent le foot. Et je pense ici qu'à Zender, ici à la Commune 4, on est tous amoureux du foot. Alors, la passion du foot est une réalité ou pas, on a le temps de le découvrir. Chaque match de championnat mobilise plusieurs jeunes. De la Super League à la Ligue des Champions, c'est la fête. Pour les détenteurs de clubs vidéo, de projections de football, c'est de l'économie, c'est du business. Mais une question se pose entre le foot international ou le foot local Quelles sont les préférences des jeunes rois Vous aujourd'hui, entre euh, les clubs euh, internationaux et les clubs locaux bah... Bon, là, je pense que il n'y a, y a, pas match vraiment. Je pense que le choix est clair. Le choix, est, clair. il est clair donc, mais un peu de clarté. pour un peu de clarté, moi vraiment, je préfère suivre les, les, les, ligues, les, Champions League, les, championnats internationaux. Donc le foot à l'international, c'est plus suivi. C'est plus suivi vraiment. C'est plus suivi. En tout cas, là, on ne parle même pas. On On parle même pas parce que c'est vraiment le jeu où la, qui, rassemble, qui réunit l'ensemble de jeunes. Hier, euh, la, la, Ligue des Champions a commencé. C'était Paris, Paris Paris Dortmund et de l'autre côté Liverpool Atlantico. Petite parenthèse parisien ou bien allemand Bon, moi je suis allemand. Oh, cool. <laughs> On continue cette chronique avec la passion du foot. Vous, je vous ai entendu. Il n'y ah, a pas de souci, mais vous m'avez dit que vous aimez le foot et vous supportez l'équipe de Chelsea, c'est ça Chelsea, FC, Ouais. Bah, vous pouvez nous dire deux mots sur Chelsea Et, mon, ra'ayina kan Chelsea. muna nan yanzu dai ka gani kamar bisa kan chelsea bisa wannan kan wasa da ake na league de champion yanzu kamar jiya kaga wasa da ya ba 'yan kallo abin al'ajabi kamar liba a ingila ita ta zamanto tana champion a gaba har yanzu ba a ci ta ba tun da ta fara wasanta amma sai abu ya bamu mamaki a jiya da muka zo gaban dubunnan 'yan kallo aka zo aka sa mata ɗaya da banza kenan abin ne ya ba mutane 'yan kallo mamaki kamar kan aka yi kan mutu da wanga su ma wanda aka ci su da ita ma nan abin ya hmm. Super. Parlant de foot également, on parle de Chelsea. Je peux te citer trois noms de joueurs euh, Chelsea, Didier Drogba, ex-joueur de ah, Chelsea, bah, John bah. Terry, Frank Lampard, Eden Hazard. Eh, c'est pour te dire que je suis passionné du foot <laughs> également. On continue cette chronique et une question essentielle se pose. Pourquoi les jeunes préfère le foot à l'international que le foot local. Votre avis m'intéresse. D'accord. Bon, moi, je dirais qu'aujourd'hui, quand vous prenez le football international, ce qui attire le plus les jeunes, c'est le foot où vraiment eh, ça a plus de valeur, disons, où c'est pris vraiment, même à l'échelle internationale, quand vous prenez l'ampleur qu'on donne ou l'importance qu'on accorde au foot, elle est très différente de l'importance qu'on donne ah, au football national. Quand vous prenez le football national aujourd'hui, on a beaucoup de talents au Niger, on a beaucoup de footballeurs, mais qui ne peuvent pas accéder au club national tant qu'ils n'ont pas un coach bien placé qui peut les, qui peut les amener là-bas. Aujourd'hui, quand vous prenez les clubs de première division, même si vous avez le talent, vous ne pouvez pas accéder à un club, par exemple, comme Bon, je ne cite pas de clubs, vraiment. Je ne cite pas vraiment de clubs. Vous ne pouvez, pas, venir. <laughs> je, vous ne pouvez pas vraiment avoir accès à ces clubs-là mm. tant que vous n'avez pas quelqu'un qui est bien placé. C'est-à-dire l'importance que le, que le football doit avoir au Niger n'a mm. pas eu cette importance. Vous partagez le même avis Oui. Ah ouais Eh, kamar yin magana da ya ce bai iya kama wasu sunanakin club. club dono. Yanzu kamar Nijar ka gani kulab lokal donuwa ba wani abu ne ba san rai ne. San rai in kana dan balo na exterior in niyami in dai kai ba dan niyami bane ne kawo san rai ne tunda a zandar yanzu akwai yan balo wanda ya kamata a ce suna iya zuwa mena national si balo amma sai ka je in ka je sai a ce ma bakka layya ko nuwa kuma ƙarya ce dan ba dan yamai bane ba donuwa kenan mu balan mu a kullun san rai ne ya zamanto kulab wajen goma a yamai ɗaya ɗaya a gari gari wanda shi kuma bai kamata ba a ce kulab ma ya zamanto ya mai gaba ɗaya kulab goma suna nan mu gwamnatin mun zata iya balo kawai ya kamata ma kai da karshe ma mu dama balo ba ta iko ba ce donuwa wani kulab AS don AS police AS wa ba wa kawai kulab ayi ta kawai ta kawai matasa da kawai 'yan ƙasa donuwa kawai je daji ya tsare ƙasa kawai si vous nous écoutez, Asender, Maradi, Arlit, vous aimez le foot, on partage la même passion. Une chose est sûre, beaucoup de force, beaucoup de détermination. Ce que vous voulez pour vous, c'est la meilleure des choses qui vous viendra. D'ici là, portez-vous bien. Amoureux du foot, on se retrouve après et amoureux du sport. On reste ensemble. C'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. Bye bye. Merci, Mr. Olivier. Donc, euh, euh, sur ce, nous allons euh, permettre aussi à tous nos invités et à tout le monde de placer un mot de fin en ce qui concerne, bien évidemment, la thématique. Nous parlons toujours donc, de la consommation des stupéfiants. On va donc permettre à, à Kappa, à Kappa de placer un mot en ce qui concerne ce thème. Un mot de fin. Magana karché muke so biskan shaye-shaye baka gaya mini biskan shaye-shaye magana ta ƙarshe bisa kan shaye-shaye in ana so a wasu shaye-shaye a cikin ƙasa dole ne sai an yi an ɗauki ƙwaƙwarin matakai na masu masu tsaro saboda sai an yi kontrol na kirki saman masu kayan shaye-shaye cikin ƙasa saboda kayan shaye-shaye cikin ƙasa yanzu ba a cikin gari kaɗai ba har cikin ƙauye haka ne ko ina da gari da ƙauye ko ina cikin shaye-shaye na yake wanda bai sai ya ma ya sha in ya bi wani waje yana jin warinta mm, kamar shi ma sha ake kenan yo kai ma ka sha yo baka sha <laughs> daga hucewa ma ka sha wani waje ana sha kana jin warinta mm. kenan kaga an shiga cikin rayuwarka ya kamata a ce gwamnati ya tashi tsaye motoci masu zawa daga najeriya benin ya kamata a ce ana control na kirki ai berifiye na kirki mutane su hasaka kayan shaye-shaye cikin ƙasa boss maganan ka na kashe biskan shaye-shaye ka game dun abun da yake biskan zukenka matakan boroni ci da a ne ha mm. kan shaye-shaye din dirsan bu kauye birni nan kulkan norkoi jone ga han gaskiya shaye-shaye don ka ne shaye-shaye da goni kontrol babu lokacin nan ne kyora in eh. control ba bandi eh, pour que sai ayi control pour que wani wo amna to gaskiya mu kanmu sashen da muke yi ba eh. a san mu bane muke kawai dan dai mu huddu su aka ji boss kawai Allah sa boss ta wannan yace kawai ayi control dan ka shi a gaskiya control kin mu ma an aka yi shi tana gyara mu saboda dan dan dai hankalin mu ya dawo mu tsaya mu nutsu ko ba haka bane yo hankalin ku ya kai ya kai ku ayi control ku ne ku bari sosai kullum a toujours control kin taki masu da muke so a rike in aka rike masu da kenan mu mu <laughs> kenan dole ne he mun gani za a saya ko ba ka wani mu gani ba bai <laughs> ne eh, mu ne wallahi ane mu control te ne ko me a me e mi kudi mi hau han dino ni te <laughs> han dino ni te Ba mu shaye shaye kenan in an a cikin tsaro muke amma a ƙara tsaro da yawa a sau ai eh. tsaro a kama su an kama masu saidawa in ba in ba in ba haka nan aka yi ba amma mu nan in cikin gari in an kawo mun sai eh kawai in eh. ayo a kawo he mun sai a in ba kawo ba an kama su An ba kawo ba an kama su mun haƙura <laughs> eh. ana <laughs> ka dai dika nanu ga ga dai me donc il contrôle babandi pour que kwaya am furmo so kufangay ma dai ga hang yes wala ar kan voski bosi ne o dukwa ya ngai dia wala ngai ga denge ma Hey. Eh. <laughs> Merci boss. Alors on va permettre aussi euh, à, à Hadinke de placer un mot de fin. Ok to yanzu abin da za mu yi faɗi na ƙarshe sai dai mu ce abu dai wanda muka fara wannan na haɗin kan matasa mu waye ma matasa kai Eh, Allah ya sa abun da muke nan gai Allah ya kama mana mu ci gaba kowa ƙasa Allah ya sa kowa ya gane ya bar shaye-shaye eh. Alors, on va finir donc avec la structure des jeunes, euh, puisque bore c'est ngem bonza Alors, en tant que structure de jeunes, vous avez un mot de fin en ce qui concerne la consommation des stupéfiants, pas seulement euh, adressé aux jeunes de Zander, mais à toute la jeunesse nigérienne. Oui, en tout cas, je ne manquerai pas de placer un mot de la fin, puisque aujourd'hui c'est une question qui, qui doit perturber tout le monde, qui doit inquiéter tout le monde parce que tout le monde connaît les conséquences de la prise de ces stupéfiants. Donc c'est d'appeler aux euh, bonnes, consciences vraiment, de s'en prendre en compte qu'aujourd'hui, voilà les dangers qui les guettent et que voilà vraiment ce qu'ils risquent et de cesser ces pratiques. Et aujourd'hui, d'appeler à l'endroit des plus hautes autorités du pays de mettre en place tous les dispositifs possible pour barrer route à tous ces trafiquants de drogue dans notre pays. Merci, euh, camarades. Sur ce, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour prendre congé de vous. Consommation de stupéfiants conduit d'une façon ou d'une autre à la violence. C'est de cette violence que nous allons parler très très prochainement sur nos différentes émissions. C'était la machine et les jeunes de Zender. Sur ce, hey ah! Nous sommes à Zander de Magaram Juda. Nous sommes à la mairie commune 4. Soja. In America. Tabi, tabi. In America. Baka. Stolen from America. ti na